Mesdames et Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour votre journal de 20h30. De la culture dans ce journal avec la projection avant-première du film série Dogaro de hier au Palais du Congrès de Niamey. Une série parrainée par le co-représentant du président de la République, Fuma Kwegado, qui a fait le déplacement au Palais des Congrès avec son épouse. On parlera également de la Nigélec euh, qui est à pied d'œuvre pour rétablir l'électricité interrompue par les intempéries qui ont endommagé des pylônes de la ligne haute tension à Zabori. Le ministre d'État de l'Énergie et des énergies renouvelables s'est rendu. Plus de précisions dans un instant. Soyez les bienvenus dans ce journal Le Sport à l'entame de cette édition avec euh, la défaite du MENA U23 face aux Aiglons du Mali. Notre équipe n'a pas démérité, d'où ce tweet du président de la République, Mohamed Bazoum. Le MENA U23 vient d'être éliminé après avoir livré de très bons matchs. Cette équipe est l'une des meilleures que notre pays ait pu avoir. Ces jeunes sont l'avenir de notre football qu'ils reçoivent ici mes encouragements. Voyons en image le résumé du match ayant opposé le MENA U23 aux Aigles U23 du Mali dans ce compte-rendu de notre envoyé spécial Hasmi Abdoulaye depuis Tanger au Maroc. Le MENA U23 du Niger en blanc était en bonne position avant d'affronter les Aigles du Mali pour une place en demi-finale. Bien en place au cours de la première période où le score était de 0-0, le MENA U23 allait tout laissé s'écrouler en seconde période. D'abord en concédant un penalty transformé par Mamadou Sangaré à la 48e minute. Les Aigles du Mali vont ensuite corser l'addition à la 87e minute par Shekna Doumbia, un but qui valide le biais des demi-finales pour les Maliens. On croyait beaucoup à cette qualification pour euh, les JO et finir parmi les quatre premiers. malheureusement, euh, ça a été très dur, ça a été très dur. C'est vraiment des sentiments de déception et euh, qui nous animent en ce moment. Mais il faut reconnaître qu'il n'y a pas de regret, parce que vraiment on a tout donné, on a tout donné de cette compétition du début, dès les préliminaires jusqu'à cette qualification. Moi, je crois que vraiment on a donné une bonne image, n'est-ce pas, du Niger. Euh, nous sommes très déçus, en tout cas pour le peuple nigérien qui nous a beaucoup soutenus. en tout cas, il faut reconnaître que le meilleur reste à venir avec cette génération, en tout cas, si on arrive encore à travailler davantage, euh, trouver des grands matchs amicaux, et moi je suis convaincu que le Niger peut aller loin dans n'importe quelle compétition à l'avenir. Certes, il y a des regrets, mais il y a aussi de la satisfaction à plusieurs niveaux. Les enfants ont fait un bon parcours, donc euh, c'est une expérience. Il faut savoir tirer les leçons. C'est la, la chose peut-être la plus difficile, et c'est que généralement nous ne faisons pas. Moi, je pense que quand on observe notre équipe, les deux comportements, la défense, le milieu, le problème, c'est au niveau de l'attaque. Tu as beau défendre, quand tu ne meurs pas, tu ne gagnes pas. Un parcours très, très honorable. Si vous avez vu les enfants hier avec les larmes aux yeux, c'est parce qu'ils tenaient, ils avaient à cœur de vraiment faire plaisir au monde footballistique du Niger et au-delà à tout le peuple nigérien. Malheureusement, les dieux du stade ont décidé autrement ce qu'on a à retenir, c'est le parcours honorable. Et tout cela est dû par un encadrement de qualité. Et les conditions, les conditions de préparation qui ont été mises à notre disposition. Le MENA a fait un bon parcours pour arriver à ce niveau. Euh, les enfants se sont qualifiés toujours à l'extérieur, ce qui est la preuve d'une très grande performance. Ils avaient donné euh, la preuve que euh, notre football au Niger est à un niveau élevé. Je n'ai jamais vu un arbitrage de cette nature dans une compétition de football. Le président de la République, Bazoum Mohamed, a salué la performance de l'équipe nationale nigérienne. Le MENA rate certes la qualification aux Jeux olympiques Paris 2024, mais a laissé beaucoup d'espoir et de promesses pour les échéances à venir. En tout cas, bravo au MENA U23 pour ce parcours honorable car le meilleur reste à venir. Je l'annonçais en titre, le palais des congrès de Niamey a servi de cadre hier soir au lancement du film Dogaro Kai. Il s'agit d'une série en langue Hausa qui a pour objectif de sensibiliser l'opinion publique sur la scolarisation de la jeune fille et l'entrepreneuriat féminin. L'événement a enregistré la présence de son parrain, à savoir le haut représentant du président de la République, Fumakwe Gado. Le compte rendu est signé Issa Ousmane Mahamat et Suleiman Boubacar. À travers la réalisation du film Dogaro Dakai, objet de la présente cérémonie de lancement, son réalisateur et les acteurs et actrices, qui sont tous des Nigériens, veulent démontrer qu'il est possible de valoriser des compétences nationales, issues des réalités socioculturelles locales, pour sensibiliser davantage la population sur la scolarisation de jeunes filles et l'entrepreneuriat féminin. réalisation de ces films témoigne également de la nécessité de constituer une alliance stratégique et un partenariat fort entre acteurs pour combattre le fléau qui mine la société, qui est la non-escolarisation et la déscolarisation de la jeune fille. Le Garde-Caille, comme les noms l'indiquent, met en exergue les combats des jeunes Nigériens pour leur propre épanouissement à travers la création des entreprises viables ils mettent aussi en lumière la promotion de la femme nigérienne à travers le combat d'une jeune orpheline contre un destin qui l'expose à une vulnérabilité sans précédent. Dans son discours de lancement, le représentant du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, Abdesalam Mahmoudou, a salué l'initiative de ce jeune réalisateur qui a été parrainé par le haut représentant du président de la République, Fomoko Igado. Le film a touché en effet un sujet rentrant dans le cadre des priorités du gouvernement de la 7e République. Mon département ministériel se réjouit de la réalisation d'une telle œuvre par des jeunes d'acteurs nigériens, pour l'essentiel, mais aussi grâce au financement du FONDAC, un dispositif mis en œuvre pour justement accompagner les initiatives des acteurs culturels nigériens afin d'assurer la qualité des œuvres et l'épanouissement des industries culturelles au Niger. Le haut représentant du président de la République, par ailleurs parrain du tout événement, a salué et encouragé l'initiative de ces jeunes. Mais Mokoy Gado se réjouit aussi de la relance et surtout de la dynamique retrouvée du cinéma nigérien. Euh, le programme euh, de la Renaissance Acte 3 du président de la République, son Excellence euh, Bazoum Mohamed, fait un point d'honneur à la promotion de la culture, comme vous le savez. Et euh, c'est tout à fait normal lorsqu'il y a des initiatives de ce genre qui sont inédites que nous puissions venir vous encourager, vous féliciter et vous demander d'aller à l'avant pour la promotion du cinéma nigérien. Notons enfin que cette soirée a été aussi une occasion pour la remise d'attestations de témoignages aux acteurs concernés ainsi qu'aux partenaires qui ont soutenu la réalisation du film. La fin de la cérémonie a été sanctionnée par des prestations d'artistes venus pour la circonstance. Notons également que le haut représentant du président de la République, Fumako a fait ce déplacement avec son épouse en marge de la visite hier sur la ligne birni kebi Le ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables, a profité pour s'inquérir de l'évolution des travaux de la ligne 330 kV qui va bientôt relier Zabori à Gorubanda, une nouvelle ligne en construction dans le cadre du projet WAP dorsal nord de la CDAO. Le point avec Lolum Tarmina Sara et Hamid Abdoulaye. Accueilli dès son arrivée dans le village de Zabori par les autorités administratives, communales et coutumières de la région de Dosso et du département de Djondjou, le ministre d'État en charge de l'énergie et des énergies renouvelables a visité d'abord la ligne d'Osso d'une Zabori et Tessa, ligne qui a subi récemment un dommage suite à la dernière pluie enregistrée. La Nigelec fait état de 11 poteaux écroulés. Selon le directeur général de la Nigelec, Khalid Alassane, d'ores et déjà une équipe de la direction régionale Nigelec de Dosso a débuté les travaux de remplacement. La délégation du ministre d'État Ibrahim Yakoubou a ensuite mis cap sur les chantiers de la toute nouvelle ligne 330 kV qui va relier Zabori à Gorubanda, fruit du projet WAP Dorsal Nord. Les travaux avancent comme il se doit d'après les explications fournies par le responsable de l'entreprise en charge des travaux, car la tâche la plus ardue a été déjà terminée. Il reste à présent l'assemblage et le montage des pylônes, puis l'installation des câbles électriques, à la grande satisfaction du ministre d'État. La série de visites s'est achevée à Dosso au niveau de l'aire de stockage et du magasin des matériels réceptionnés pour les travaux du projet WAP un projet vaste et structurant de la CDAO qui vise l'interconnexion des pays membres pour développer, fournir et acheminer l'énergie en qualité et en quantité. Ibrahim Yacoubou a exprimé toute sa satisfaction après son constat. Les avis que nous avons eus de l'ingénieur conseil, de l'entreprise et de ceux qui coordonnent pour nous ce projet-là, nous sommes très satisfaits de ce qui est en train de se faire parce que ce projet est un projet structurant et transformateur de notre euh, système euh, d'énergie électrique. Nous avons maintenant les moyens d'avoir une ligne d'interconnexion qui va s'étendre au Niger sur plus de 400 km, qui va nous permettre d'accroître notre capacité d'importation 6 ou 8 fois plus et qui a maintenant un matériel moderne qui est destiné à supporter les intempéries, à nous éviter les récurrences des difficultés que l'ensemble des Nigériens connaissent. Donc nous sommes ici sur le site d'une des solutions aux problèmes que nous avons de fourniture d'énergie électrique à partir de l'importation et que nous avons connu assez souvent sur plusieurs années. Donc vraiment, je voudrais encourager euh, les unités que nous avons en place, tant au niveau de la CDAO, tout au niveau de Abuja, puisque vous savez que c'est un projet régional intégrateur et au niveau du, Niger où nous avons le personnel nécessaire pour le suivre, ainsi que les entreprises qui sont engagées à cela. Nous avons euh, l'espoir que le délai contractuel de fin 2024 sera respecté. Les Nigériens en général et ceux de la zone du fleuve en particulier souriront bientôt une fois la nouvelle ligne 330 kV Zabou banda réceptionnée, car considérée comme la solution palliative de la vétuste ligne Birninke Binyami a accusé souvent à tort, bien qu'elle continue de servir les populations pendant plus de 45 années. À mission dans la région de Maradi, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a visité hier au quartier Zaria de le forage F21. Ce forage, jadis entouré d'immondices, a été aménagé par le ministère avec l'appui de la SIN et la SPEN pour en faire un terrain de basket et de football à la grande satisfaction de la jeunesse du quartier. Le compte-rendu est signé Ouattara Moussa et Sanoussi Garba. Voici à quoi ressemblait cet espace très connu du quartier Zaria, une montagne d'immondices juxtaposée au forage F21 afin donc d'éviter la pollution de la nappe phréatique qui sert à alimenter la population en eau potable, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a aménagé cet espace. C'est ainsi pour créer un cadre d'épanouissement les riverains de ce quartier. La Seine a accompagné le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement à aménager les alentours du forage f par la construction des terrains de sport, de basketball et de football. Cette euh, initiative a apprécié le gouverneur de la région de Maradi, témoigne de l'engagement du gouvernement à assurer aux populations l'accès à une eau propre et sûre. Le forage F21, au pied duquel nous nous trouvons en ce moment, est plus qu'un symbole, mais toute une signification historique que la population de Maradi n'oublierait guère. La population de la ville de Maradi ne peut que s'en réjouit et vous demande de transmettre sa profonde gratitude à son Excellence, le président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, et à son gouvernement. Au-delà de l'aménagement de ce forage, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a rappelé les réalisations faites par le gouvernement en deux années pour assurer la fourniture en eau potable à la population de Maradi. Il faut savoir qu'au niveau de la région de Maradi, 42 milliards et multi-villages ont été réalisés. 149 mini et simples ont été réalisés. 135 pompes à motricité humaine ont été réalisées. Ces nouvelles réalisations ont permis au gouvernement d'injecter sur ces deux ans plus de 22 milliards dans le domaine de l'hydraulique en milieu rural ont permis de toucher plus de 400 villages en matière de couverture en eau potable et plus de 500 000 personnes supplémentaires qui ont eu accès à l'eau potable. Auparavant, le directeur régional de l'hydraulique et de l'assainissement, Zachary Maman, le premier vice-président du conseil de ville de Maradi, Lawali Issa, et le président du conseil régional Lawali Malamoussa ont aussi tous euh, dans leurs euh, interventions salué les efforts des autorités dans le domaine de l'hydraulique. Des investissements qui ont permis d'améliorer considérablement la desserte en eau potable de la ville de Maradi. Toutes les personnalités présentes et le public ont été ravis de suivre un match de basketball sur le terrain nouvellement mis à la disposition de la jeunesse du quartier Zaria, qui doit en prendre bien soin. Et puis nous recevons sur ce plateau le directeur général de la protection civile au ministère de l'Intérieur, le colonel-major Bakou Boubacar. Bonsoir. Eh bien, le Niger va abriter du 3 au 4 juillet 2023 la septième réunion des directeurs généraux et directeurs de protection civile des pays d'Afrique, membres de l'Organisation internationale de la protection civile. Eh bien, pouvez-vous euh, brièvement nous édifier sur euh, ce qu'est la protection civile et l'Organisation internationale de la protection civile ben, je vais d'abord euh, vous remercier de nous donner l'occasion de parler avec l'opinion aujourd'hui de ce qu'est la protection civile, qui est est de plus en plus connu, mais euh, pour certains, ça reste quand même à définir. Hein. Alors, il faut savoir que selon la loi 2017-06 du 31 mars 2017, déterminant les principes fondamentaux de la protection civile au Niger, la protection civile désigne les missions de protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les risques et les calamités de toute nature. L'article 10 de cette loi aussi précise les acteurs de protection civile en dehors de vous et moi et, tout un euh, euh, type de personnel, c'est d'abord les agents assujettis à des missions de protection civile de manière permanente notamment euh, les corps de sapeurs-pompiers que vous connaissez bien, hein. les militaires de la gendarmerie, de la garde nationale, les fonctionnaires de la police nationale, les agents de l'environnement, mais aussi les agents de l'État, les collectivités territoriales et pourquoi pas les associations évoluant dans le domaine de la protection civile. Quant à l'organisation de la protection civile, elle a été créée en 1931 sous la dénomination Association des lieux de Genève et est devenue l'OIPC à partir de 1958. Cette organisation a pour objectif de contribuer au développement des États euh, membres à travers donc les structures qui assurent la protection, l'assistance des populations et qui protègent les biens et l'environnement. Ces structures sont généralement, bon, on parle de protection civile, de sécurité civile, de défense civile, c'est selon les pays. Hein. Alors, euh, Aujourd'hui, on a 60 États membres. Parmi les 60 États membres, vous avez 28. Et ce sont ces 28 États membres qui sont invités à cette rencontre au Niger. 26 ont répondu présent. C'est un record. Le Niger a adhéré le 5 mars 1977. Très bien. Eh bien, eh bien, on va parler des objectifs hein, de cette euh, septième session qui va se tenir du 3 au 4 juillet 2023. Je rappelle que le 3, c'est demain, si tout va bien, Inch'Allah. Tout à fait, tout à fait. Alors, ce qu'il faut retenir, d'abord, on a un thème. Le thème, c'est une protection civile sans frontières pour une Afrique résiliente. Hein. Le thème de la plateforme régionale qui va s'appuyer donc sur le bureau régional pour la création, la concrétisation d'un centre régional des opérations d'urgence qui va fédérer les centres euh, euh, nationaux pour une meilleure capacité et une fluidité des informations sur la, gestion des catastrophes qui, vous savez, ne connaissent pas de frontières. Nous avons aussi la thématique de l'école régionale Hein, pour la formation. Nous avons enfin le dépôt régional qui est, si vous voulez, un stock euh, des matériels de secours, des matériels d'intervention qui est prépositionné dans un certain nombre de pays pour le besoin euh, de l'activité de réponse aux catastrophes. Eh bien, pourquoi le choix du Niger pour abriter cette rencontre Alors, euh, ce qu'il faut reconnaître, depuis 2012, hein, beaucoup de départements ministériels, surtout le plan du Niger, a fait des avancées assez importantes sur la question de la réponse aux catastrophes, mais aussi sur les questions et, prévention. des euh, Ce qui fait que le Niger a pris des lois, hein, dans, des lois souvent qui ont un caractère transversal, donc beaucoup de ministères. Vous avez vu la création du ministère de l'action humanitaire, le dispositif a continué à fonctionner, la protection civile a été renforcée. Donc c'est ça qui fait du Niger un pays vraiment eh, assez eh, en avance sur beaucoup de pays. Hein. Et d'ailleurs, je vais vous dire, on a modernisé le mécanisme aujourd'hui d'évaluation des catastrophes. Ça veut dire, lorsque nous faisons le recensement sur le terrain, ça tombe en ligne dans un serveur à la Direction générale de la protection civile. Donc, instantanément, à Niamey, nous pouvons savoir ce qui s'est passé à Damagaram Takaya, à Difa, le nombre de sinistrés. Nous avons aussi ce qu'on appelle le centre opérationnel de veille d'alerte des crises de crise, qui permet de donner l'alerte sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons aussi un autre euh, phénomène qui est récent, c'est l'utilisation en fait des technologies intelligence d'évaluation des catastrophes dans le Niger a un peu le lead, c'est l'utilisation des drones. Mais tout ça, pourquoi le Niger Moi je pense qu'il faut retenir que le Niger est devenu à partir de 2017, suite à l'événement de l'inauguration de l'école de protection civile, où on a reçu eh, plusieurs directeurs de protection civile, le secrétaire de l'Organisation de la protection civile, nous avons organisé aussi le forum de gestion des catastrophes en Afrique de l'Ouest en 2021. C'est le GCAO après ces GCAO, e nous avons reçu une formation internationale sur les technologies intelligence, d'évasion des catastrophes qui a regroupé un certain nombre de pays d'Afrique francophone. Nous avons encore en 2023 là, accueilli un GCAO, e c'est extraordinaire qu'un pays accueille deux fois le GCAO e de suite. Mais enfin, nous avons aujourd'hui cette réunion qui regroupe ces 26 pays là. Donc euh, l'école aussi, l'école de protection civile qui est une grande première en Afrique qui donne dans un format LMD avec une licence où on a formé en protection civile. Euh, sur cette promotion, nous avons formé 184 euh, licenciés, parmi lesquels il y a quand même 42 pays. Et nous avons la septième promotion qui est là, où nous avons 33 étudiants, y compris 13 euh, autres nationalités. Donc c'est ça qui fait du Niger euh, ces derniers temps la capitale de la protection civile en Afrique, pas seulement en Afrique de l'Est. C'est un choix qui n'est pas fortuit. Merci beaucoup, euh, le colonel-major euh, Bakou Boubacar. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la protection civile au ministère de l'Intérieur. Nous souhaitons quand même bonne, bonne assise hein, à partir de demain. Autre aspect de cette édition, la grande famille des chefs traditionnels du Niger est en deuil avec la disparition hier du chef de canton de Sokorbe, l'honorable Amadou Garba. Il a été inhumé ce dimanche à Sokorbe en présence du secrétaire général adjoint de la région de Dosso. Le point avec Manu Alaïsido et Khadisogarba. Garba. L'honorable Mayati Amadou Garba est né à Sokorbe en 1950, soit 73 ans de vie et a été élu chef de canton de Socorbé le 15 mai 2006, donc 17 ans de règne. Il a succédé son grand frère Mayachi Hinsagarba, qui lui-même a succédé leur père Mayati Garba. Il est décédé ce samedi 1er juillet 2023 à l'hôpital de référence de Niamey après une longue maladie. Il laisse derrière lui deux épouses et 15 enfants. Il a été inhumé ce dimanche à Socorbé en présence des parents, amis, connaissances de nombreux chefs traditionnels et autres personnalités. Après l'enterrement, le secrétaire général adjoint de la région de Dosso a pris la parole au nom des plus hautes autorités de notre pays, au nom du gouverneur de la région et à son nom propre pour présenter ses condoléances à la famille de l'illustre disparu. Au nom du président de la République, euh, chef de l'État, au nom du gouvernement et au nom de la population de la région de Dosso, euh, nous présentons nos condoléances les plus attristées à la famille du regretté chef, à la population de Sokorbe et euh, à l'association des chefs euh, traditionnels du Niger. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala euh, qu'il lui pardonne et qu'il lui gratifie de son paradis Firdaus. Les informations que nous avons sur lui font de lui un digne chef qui a parfaitement collaboré avec euh, la population, qui a collaboré avec euh, l'administration publique. Qu'Allah lui pardonne. Notons aussi que l'honorable Ahmadou Seni, chef de canton de Arkanassou, a, au nom des chefs traditionnels du Niger, après avoir présenté ses condoléances, prodigué de sages conseils à l'ensemble des ayants droit à la chefferie du canton de Sokorbe. Que son âme repose en paix. Amen amener que la terre lui soit légère également. Le projet Bafoné organise une opération de prise en charge chirurgicale du prolapsus euh, au profit des femmes souffrantes de cette pathologie dans sa zone d'intervention, à savoir le Tilaberi. Une cinquantaine de patientes sont opérées au centre mère et enfants de la région. Abdoulaye Soumana et Amadou Ibrahim pour le compte rendu. Le projet Bafouné au renforcement de la santé et de la situation socio-économique des femmes, des filles et des garçons avec ou sans handicap est le fruit d'un bon partenariat entre l'ONG Songe, Moriben et CBM sur financement de la BMZ d'Allemagne pour un coût de 1 180 millions francs CFA. Ces malades, ils sont pris en charge à 100% par le projet sur le plan médical, sur le plan transport et sur le plan nutritionnel. Ces malades se portent très bien. Sur 26 référés, donc 24 sont opérés. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités, Bafouné a redonné la joie de vivre à de nombreuses femmes vivant avec le prolapsus qui ont été prises en charge gratuitement au centre mère et enfant et au centre hospitalier régional de Tilabiri. Une femme qui a un prolapsus, elle ne vit pas, elle souffre sincèrement. Donc il faut redonner la vie à ces patientes-là, à ces femmes qui sont en train de souffrir et on remercie sincèrement et l'ONG Bafoué d'avoir, euh, en tout cas, financé cette activité-là et faire sortir ces patientes de cette souffrance. Les bénéficiaires se réjouissent de l'initiative du projet qui mérite tout son nom, car, ont-elles affirmé, Bafouné vient de leur redonner la chance de vivre avec dignité. Je suis ici grâce au projet Bafouné. J'avais l'utérus carrément dehors. Je souffrais donc sérieusement. J'avais perdu tout espoir d'être femme. Mais Dieu merci. Je, je remercie le projet. Merci au projet Bafouné, grâce à qui j'ai recouvré ma santé. Je laisse un appel à toutes celles qui sont dans cette situation de ne pas cacher cet handicap, car franchement, avec cette prise en charge, on peut redevenir femme. Je suis arrivée ici grâce au projet Bafouné et Dieu merci, je repars satisfaite de cette prise en charge. J'ai accompagné une patiente et vraiment je suis agréablement surprise. Elle vaque déjà à ses occupations. Le visage qui était crispé est devenu rayonnant. Merci au projet Bafounet, je lance un appel pour la poursuite de ces initiatives qui sauvent des vies. D'une durée de 4 ans, le projet Bafouné intervient dans 10 communes issus de cinq départements de la région de Tirabéry. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Le programme se poursuit sur Télé Sahel. Bonsoir.